gëm la ne si je pouvais vous raconter ce que les gens me disent sur vous par jour du ngeen ko sax gëm donc xam nga président dafa a plusieurs sources d'informations. Mhm. et il ci ñoo xam dañ ko y a des gens qui faisaient des bulletins pour lui eh di di ci ay parce que xam un président mhm. n'utilise pas que les services de renseignement classiques président a am source d'informations. yu bari yu bari am na ci ñoo c'est des agents doubles. Mhm. tu vois nous sommes des présidents. est-ce que vous avez si ñu ko monsieur le PM. Hein est-ce que vous avez si ñu ko ah, monsieur le PM parce que si vous nekkee euh, logique troisième mandat ñu mel yow ñu télévision mais alors euh, moi je suis juriste Comme je suis juriste nga wala juriste. Je suis ci Je suis juriste. Si la mhm. constitution bi nga ne. Mhm. président de la constitution 2001. 63. Euh, de la, constitution, du 7 mars 1963 de woon modifié en 2001 la mm-hmm. amoon disposition pour nous défendre ci constitution euh, de janvier 2001 mais disposition transitoire qui permettait au président Wade non pas de compter son premier mandat qui a couru de 2000 à 2007 mm-hmm. comme un mandat qui devait être pris en considération mais disposition transitoire bi mm-hmm. dañ ko de telle sorte que mandat Bokouti. Bon ci. du hein? non non ah, je ne sais pas. Ah, je ne sais pas. mais en tout cas. Hmm. Euh, nous pour en avoir le cœur net. on avait amené ici de grands constitutionnalistes les meilleurs du hmm. monde. pour que nous planchions sur la question. Mm-hmm. des meilleurs selon vous parce que Idriss Seck aussi indi na ben bu mag je xamanteni kenn mënul la tudd non indi wu daf ko interroger. wa mais d'accord. interrogation bi Sénégal donc mën nañu information bi nga xamanteni mom la bëggon Sénégalais moy que président Abdoulaye Wade. aussi waxuma sax waxu mais buñu ci cadre euh, président Abdoulaye Wade rek yu mu yu mu wax na ni que mom mënul def li nga xamanteni moy benen mandat donc mom juriste la mais terewul ba mu bëggee def deuxième mandat wala troisième mandat boobu mandat de trop bi je ne euh, pense pas que mosoo leen ko si mosoo ko si aussi il y a eu des morts onze personnes yoo xamante ñu ñàkk seen Bakan dans une indifférence totale. mais bien sûr bien sûr ku manifester te warul waruloo manifester bu la mais écoute. Euh, la mort la mort des êtres humains. oui est toujours un événement douloureux pour tout le monde. Mm -hmm. Sénégal warul ñu euh, euh, parce que dañuy contester lui, muy am ay morts d'homme donc c'était vraiment regrettable sur la mort de Mamadou Diop. Parce qu'il était étudiant, il est voulu manifester pacifiquement, mhm. euh, il a été heurté par un véhicule de police. Tout ça était déplorable. Mais je continue à croire mhm. que le président Ouad avait bien raison de postuler pour un autre mandat. Jusqu'à présent, personne n'est parvenu à me convaincre qu'il n'avait pas droit à ce mandat-là. est-ce que gëm nga Macky Sall am na ci droit boobu. loolu mom duma ci wax duma ci wax damay baye Macky Sall waxal ko bopam Bo ci waxe da nga ragal ñu jël le si euh, PCA. non ragalu man amul lu may ragal. ah déet bu nekkee ragaloo. Euh, monsieur le PM. Euh, monsieur le mais yow yaa ma koy wax c'est une question fermée qu'on pose parce que. c'est pas une question fermée. man ma la koy poser question fermée. oui. est-ce que tey jii président Macky Sall am droit de troisième mandat wala amul droit. de mandat je ne réponds pas à votre question. Pourquoi Parce que je ne veux pas répondre à votre question. Vous privilégier d'agne Mané, <laughs> je ne veux pas vous répondre. PCA c'est ay Il y a 10 millions 20 millions mais il y a am na lu ko un mooy de cadeau. Mané, je ne veux pas répondre à votre question. Il pas matin, mais il est candidat.

mënu ma obligé à quoi que ce soit mais bu ñëwé ci plateau di waxtaan yaakaar naa aussi war nañu mëna euh échanger échanger échange yoo xamante ni vraiment euh, damay damay damay joxe est-ce que moi je je je je dois me soumettre à vos desiderata non non non. mais par contre est-ce que mën nga tontu ci ma tontu ci taw boobu monsieur le premier ministre. est-ce que di nga nekk candidat en 2024. ah ça je ne sais pas encore.

remplir condition yoyu je ne sais pas encore mais sama bëgg-bëgg oui lan moo la animé woon jamono yooyu ba nga waxoon ni que euh, vous êtes candidat sama bëgg-bëgg la woon sama yéene est-ce que donne bi dafa changer entre temps ben donne changé wul li fi ne woon na fi nekk ba hmm. la seule chose qui a changé c'est le ah. ni oui ni non de Macky Sall non non non mi ni oui ni non Macky Sall man lié wu ma ça je vous le dis hmm. est-ce que du loolu le la tënk aussi ba bëggoo tontu ci ndax troisième mandat Macky Sall d'accord waaw ne pas troisième mandat Macky mhm. je ne peux pas être plus bavard que Makissal. Sall. Makissal mhm. ci Macky Sall je man commenter mais en tant que juriste si je lay laaj. que jii man mi nga xamante profane la ci droit euh, maître par exemple ni la. gagné <laughs> kenn mësul procès mais invectiver vous êtes quand même incorrect hein? ah non mais mosoo gis procès bu mais mais bien sûr. Comment pouvez-vous tout de go me dire que nous gagné procès Mais vous n'êtes pas poli, hein D'accord. Hein D'accord. Ne me parlez plus comme ça, sinon je fous le camp. Vous avez eh, compris Non, non, s'il vous plaît. Maintenant, je vous que Teranga, Aguiar, je fous le camp. D'accord. C'est mon roman.

vous me parlez correctement. convenablement je vous réponds convenablement. d'accord si vous voulez que le débat se poursuive. d'accord D'ailleurs, ngay wax convenablement. d'accord njëkk teranga. d'accord mais réewande ko jaayee ma jënd ko ah. du yow. d'accord merci beaucoup je retire mes propos. j'ai dit tout simplement que yaa ngay gagné procès alors alors léegi li may li may laajte man mi nga xamante ne profane laa ci droit mooy tey jii bu nekkee président Macky Sall am na sañ-sañu def troisième mandat bu nekkee ci droit kese laa koy laaj laajuma ko ci politique laajuma ko ci leen est-ce que président Macky Sall bu ñu xoolee ci constitution bi nga xamante ni jot nañ ko réviser mi constitution bi nga xamante mooy bu 2000 2000 bu ma juumul est-ce que président Macky Sall am sañ-sañ mëna def 3e mandat ci droit. man nga la question boobu. oui je réponds pas à votre question. d'accord. ok d'accord monsieur le euh, PM dañoo gissone sa courage politique bi nga amone ci jamono ji nga doon wax ni do nangu ki di Karim Wade jiite la lan mo la animé won <laughs> c'est le passé hein? c'est le passé c'est le mais bëgg nañu xam. il avait euh, dit je me rangerai jamais derrière. derrière ce gosse. xam nga loolu lu ko suscité woon. Dans mon ben, chef de cabinet dañu à la veille des élections locales de 2009. et ñëwul indil dossier alors quand je l'ai interrogé mu suis ma génération du concret la bokk ma ko mais un parti politique Je mu ma non euh, mais dañu une élection Je bon d'accord j'ai appelé mon directeur de cabinet qui dit profité. parce qu'il n'est plus avec moi parce que tu ne peux pas être avec moi et être à la génération du concret mm-hmm. c'était ça alors quelques jours après pour mon ce loulou, euh, un journaliste du quotidien là euh, journaliste du quotidien Pape Sambare Lou, est venu m'a accordé une interview il est venu m'interviewer mhm. alors il m'a posé des questions qui ont amené cette réponse là parce que ak jaar PDS mon ne suis rek di beaucoup, parce que euh, doomu mon Wade de jiite un googu Je ne damay ne bokk ci kuréel Je ne ko def mhm. Hmm. amna luma luma ma jaaxal également euh, souleyman dene Ndiaye ah, euh, man dama remarqué def je crois que euh, bi moy suñu ñattelu émission hmm. ñëw naa interviewé le sa mais dama remarqué une chose moy da nga am tendance à s'emporter li Pape Mokhtar wax sank il l'a dit sur le ton de l'ironie est-ce que les yu un journaliste interpellé sur des choses que xamné ne évacuer facilement mais da nga soxla di emporter wu et pourquoi Souleymane Ndéné à ce temps là oui xam nga wax bu ak tonton. quand lui qui ne me connaît pas me dit que gagne un procès c'est parce que daf ma moi j'ai plaidé combien de dossiers mhm. dans ma vie gagne gagné procès moi je sais que du yabel non yabel la. du tout pourquoi tu plateau télévision. moi wax ak man man ma ko fuuf man ko bay, mu naan ma procès ni ma waxe la ko tontoo gis nga. Mhm. man ku jaay rew ma jandou ko. D'accord. accord du ñu affaire wu hein. mhm. mais boma jaay jaayee réewande. man mhm. rek ma jandou ko ma. du ñu parce que li tax moy, li tax moy correct. li tax euh, euh Mustafa, oui moi je suis un homme posé. oui je suis un homme calme. je suis un homme poli. je ne dépasse pas les gens. mais c'est pas parce que vous êtes sur un plateau de télévision. que vous avez le droit d'y invectiver nit ou wala di leen ridiculiser wala di leen. Hmm. est-ce que est-ce que parfois il n'y a pas de place à ce à ce genre de jeu là. c'est le mandat xam nga def nga ko fi ak à Sow. est-ce que parfois euh, su ngeen di dem ci plateau télé yi du ngeen am euh, préjugé. Mhm. Euh, Alisson il est comme ça pas mortel, il est comme ça. en fonction de ça euh, vous vous mettez tout de suite sur vos gardes. je ne suis pas sur mes gardes. Hein. mais c'est euh, ah, ah. c'était un incident malheureux. On s'est retrouvé depuis lors. On parle d'autres choses. Comme vous allez vous retrouver avec Pape Mata Alors Pape ah, je ne le connais pas Comment? il ne me connaît pas. Mhm. Donc je trouve vraiment irrespectueux. que mu toog ak naan ma je sais que vous n'avez jamais gagné de procès. mais mais mais loolu vous savez cadre vous savez s'il vous plaît si je peux. père même bu fekkee ne wax na moi je sais que moom actuellement déjà nee na la je retire mes. mais très bien kon jeex na. voilà donc je Vous je pense qu'il est correct c'est peut-être xam nga xam nga wax dafa dafa dafa wax moo mel noonu. des fois di wax nga lâcher benn mot. nga jàpp ne moom daf ko def par par par impolitesse alors que c'était pas ça. donc retiré ne peux pas être dans sa tête. pour penser. monsieur le monsieur le premier <laughs> ministre man tey booy tàng sax damay seddal ndax nga génn ci plateau bi dem suñuy defet lay doon donc du ma la mës a manque de respect mais dafa am lu ñu tuddee sarcasme yaakaar naa xam nga ko te yam xam na sarcasme bu baax am na sarcasme am na mais s'il vous plaît dérision am na autodérision am na te loolu yëpp dafay neexal émission rek mais du ay question de manque de respect qui ce soit bu ñu génnoon fii tey jii du ma sax si xool jamono yi ngay attaquer Samuel Sarr wala ngeen di attaquer ñoom ñoo la ni yow mosoo gagner procès moo tax ma reprendre terme yooyu mais c'est pas ay affaire de ñàkk respect wala yooyu noonu dañuy waxtaan rek. ñu wu dañ la koy tooñee mais loolu kese la mais je pense que ni réponse du man maa lay jàngal quoi que ce soit réponse bu gënoon adapté mooy par exemple nga ni ma gagné naa naa bi procès ñii wax loolu. xamuñu c'est pas le c'est pas le lieu de euh, de faire le bilan de. mon engagement ou euh, barou. non waaw d'accord.